effectivement un nombre impressionnant d'activités euh, ont été menées. À l'heure où je vous parle, sur l'ensemble des huit régions, il y a une activité qui a été lancée. Elle consiste à former les enseignants qui ont en charge cette année-là les classes CP et les classes CE1 qui sont réparties dans 500 écoles qui expérimentent le curriculum. Donc déjà, nous sommes au troisième niveau, dans l'élaboration des outils. Ça veut dire que pour ces trois outils-là, pour ces trois niveaux-là, CI, CP, C1, des outils ont été produits, des manuels pour les élèves et des guides dans les cinq langues équipées. Euh, je vais parler du Kanuri, du Hausa, du Tamashek, du Germain et du, et du Fulfulde. Voilà les cinq premières langues. Il y a un mois de cela, nous avions finalisé la formation de 10 000 enseignants. 10 000 enseignants parce que après la première génération de 500 écoles, on a étendu le nombre d'écoles concernées. On en a augmenté 4 500 nouvelles qui sont venues s'ajouter aux 500 premières. Et pour ces 5 000 écoles-là, on a formé les enseignants du CI, ceux qui, vont, ceux qui sont en train de tenir les classes de CI, et leurs directeurs. C'est ça qui fait les 10 000. 5 000 enseignants du CI et 5 000 directeurs, ça fait les 10 000. Avant cela, d'autres activités telles que la sensibilisation qui a consisté à sillonner tous les chefs-lieux de région autour des gouverneurs et des chefs, des, des, et des chefs de canton, des, préfets, des réunions de sensibilisation ont été organisées sur les huit chefs-lieux de région. Après, cette mission de sensibilisation est partie dans presque tous les chefs-lieux des départements. sont partis porter l'information pour avoir l'adhésion de tous les acteurs. Quand on dit adhésion de tous les acteurs, c'est les parents d'élèves, c'est les enseignants, c'est les inspecteurs, c'est vous les journalistes. Parce que vous êtes en train de faire un travail énorme.